tout laa ci seetaan nak parce que moi vraiment j'étais j'étais découragé en avance wax deug découragé en avance parce que Angleterre c'est une très bonne équipe mhm. parce que vraiment on savait que ni mais vraiment trois buts la dernière fois mhm. vraiment on peut dire que c'était trop franchement parler bon une très bonne équipe On kooku on qu'on disconvient pas c'est une mhm. excellente équipe mais franchement c'était un peu un peu trop facile quoi un peu trop facile et puis et puis on a quelque chose à dire sur le classement le classement de Aliou c'est vraiment il pouvait faire un peu mieux franchement oui critiquer loolu ngay critiquer vraiment ça fait' classement bi tane peut-être on pouvait avoir peut-être 2 à 1, 3 à 1 genre quoi. franchement c'est comme ça que je vois les choses vraiment ça je suis très découragée je ne sais même pas quoi dire c'est le classement hein oh, c'est le classement c'est le classement et puis il y a Ilmandia qui est sorti je crois il y a Ilmandia qui est sorti et voilà c'est ça et puis l'autre là qui qui avait les deux cartons là qui n'a pas joué c'est Gana donc tout ça ça fait un vide donc c'est une chose vraiment euh, qui est déplorable mm. vraiment c'est triste quoi vraiment c'est triste non non non non je dis que les trois buts c'est c'est trop, c'est trop. Peut-être 2-1 ou bien 3-1, genre quoi. Vraiment, c'est trop. Et puis c'est tellement rapide, tac, tac, tac, vraiment, moment. On sait que est très fort, hein, est très fort. Nous, nous, mais aussi, affaire bi des ça reste vraiment ça reste beaucoup. Moi, instant grand xol <laughs> <laughs> aussi doit revoir son son son son son son truc il doit avoir des conseils. bon vraiment on n'a pas grand chose à dire aujourd'hui parce que ah bon en fait c'est lui ça va être c'est trop difficile parce que quand c'est quand c'est quand c'est bon on est content on dit que c'est Aliou quand on est mécontent aussi c'est Aliou donc c'est comme ça donc quand le pays marche c'est le président quand ça ne marche pas c'est le président donc c'est lui qui est le coach donc quand ça marche c'est lui quand ça ne marche pas c'est lui Dégoûtement là mu ne nii kay li gars yi naan jeex décourager bu doy war fimné di la def ni mais nak yalla baxna vraiment peut-être ça aurait ça pourrait pas être autrement. non c'est-à-dire que d'abord ñaar liñu analyser au plan positif bon équipe bi quand même euh, vu départ vu blessé yi ñu am ak yooyu yëpp ak euh, potentiel bi ñu amoon pour jouer aussi je pense que baaxoon na. beneen analyse bi ñuy def ne carrément au plan juste amélioration parce que je ne dis pas de critique hein amélioration lañu wax on pouvait au moins euh, nous améliorer sur ce plan. Man, franchement parlé, comme nous hein, je ne m'attendais pas à 3-0 pour des techniciens. Parce que quoi qu'on puisse dire, hein, moi je dis que Ben, demande ma quoi, hein, mais une équipe qui gagne, on ne la change pas. Okay. amoon le potentiel vais jouer contre Équateur peut-être kenn rek moo ci xawoon a manque. Moi, Idrissa Gana et je pense carrément avec l'arrivée de Idrissa nous avons un nañu élément boo nous placer pour mon a mhm. ensuite je dis encore une fois du point de vue des techniciens aussi bon on savait très bien que les Anglais jouaient sur des balles de contre ce indi ont dit. C'est du temps fort hein, de l'équipe. mais day un moment ils ont ne l'équipe qui ci boppam day engagé ba temps fort pour exploiter. Mm. ils ont été beaucoup plus réalistes hein, que nous par exemple Bogis, mais nous peut être pas du tout. et nous ñu jiitu woon peut être mën def tâches, mm. mais ils ont été beaucoup plus réalistes et puis il pareil, aussi gëm sen bopp parce que aussi c'était ce problème là moi je dis encore une fois c'est dommage c'est dommage parce que vous voyez moi au cette équipe au moins tey ñu ko ne jubilé d'al. mënoon C'est am lu gën même au niveau par exemple euh, des couloirs moi je dis encore une fois que un latéral offensif donc un euh, bolé, à ak keneen au moins pour bu yéegee mën ko couvrir boo c'est bi non noonu la demee dañuy dem ñu nous infiltré le duel 1 contre 1, nous passe nous dem trois trois buts facile cette année. me na pas à tout moment. mais je dis carrément organisation parce qu'au départ comme nous avons toujours le toujours principe football le premier défenseur c'est lavant centre. est ce que nous potentiel bi ban période nous nous marquage bi à ban moment la ñu accélérer le jeu pour au moins les tenir parce que pour les la nekkee et ñoom bu ñu attaquer, attaqué ñun ban principe la ñu jël pour au moins les bloquer parce que moi, je pense que carrément, Koulibaly, on l'a essayé. Mais aussi, même vous faites une Koulibaly d'ailleurs serré, serré, le latéral aussi gauche, il faut voir Menigno serré aussi pour remplir le terrain. Là, en ce moment, l'excentré Moumououach pour devenir comme latéral. Non, non, non, non, premier but, non, premier but, parce que euphorie, l'euphorie, euphorie. Premier but, Bimidougou, madame carrément, dans les 5 premières minutes, dans les 5 minutes qui vont suivre, on risque d'encaisser un deuxième but. Parce que le jeu était campé dans le camp sénégalais. C'est ah le problème. Il fallait qu'on mette nous mener à faire un problème. Mais problème aussi, comme je l'ai dit, bon, dafa am lu desoon dañu ko gënoon bëgg agressivité bi agressif bi moo ñun on était là parce que dafa mel comme dañu gëmoon ne carrément que fi yegg atteindre notre objectif. alors que non atteindre notre objectif non non non. Mhm. match par match saa yoo gagné match rek tu reviens encore tu te prépares. Mhm. moi je dis que carrément bu ñu reprendre match bi man wóor na ne carrément 3-0 boobu. du ma wax parce que moi je dis carrément peut être choix am mhm. et de resté choix mais je dis carrément qu'on pouvait avoir meilleur. par exemple ñun bu fekkoon carrément comme Ismaïla Sarr ni mu ni mu fermé woon benn couloir bi Elimane Ndiaye fermé beneen couloir bi je pense que carrément ku ñu dugal ci digg bi dañuy renforcer rek mën renforcer xam dañuy bloqué dañuy bloquer renforcer axial bi automatiquement euh, jouer jeu bi parce que moi je pense que c'était possible. comme ça parce que nous leen bloqué ñom dootu ñu mëna dé procéder par décompte parce que couverture ngay def sen kaw. donc je aussi baron nañu mëna am intelligence à ce niveau. non non non parce que c'est local, local carrément Paris dafa il a essayé de jouer mais Crépin aussi ban apport lañu amol je n'ai rien contre Crépin hein, mais lan lañu apporté il n'avait pas sa place. il n'est pas sa place peut-être que peut-être dit ça. parce qu'il n'est pas n'était pas rapide Ben. amul amul amul euh, taay boobu pour mu nga leen mu xeex ak anglais parce que le football anglais ñëpp xam nañ ko c'est du kick and rush la ñuy def anglais loolu la ah. bal daw topp ci waaw door jaay doole mais Crépin lan la ñun ah, man man c'est la question que je me pose donc j'ai été un peu déçu bi ñu jëkkee posé classement moom laa jëkk wax ne carrément loolu sama problème daal. non non mais toog baax na parce que moi je dis carrément ça va préparer aussi pour euh, la parce que attention hein, équipe bi ça montre encore que carrément que coupe d'Afrique Afrique bi coupe d'Afrique bu niveau lay doon. espérons que le Sénégal aussi tenir compte ci défaite pour que au moins ñu revenir et à Abidjan gagner encore la coupe. il est bien qu'on a des jeunes mais des jeunes aussi qui ont des carrément mais nous devons responsabiliser ces jeunes là waaw. ni def dans leur club nañ di responsabiliser di leen parce que mag Ben mag dafa ma daan carrément terrain da nga min. terrain da comme comme comme Damier comme Damier. waaw pion yi da ngay xam fan ngay taxaw ak la ngay def nañu bat gol ci waas yi ñuy ñafanteeg mag ñi rek d'ici Côte d'Ivoire incha allah ça va faire tache d'huile. enfin jëmm daal euh, xam naa ni xaw nañu dese tuuti euh, agressivité dese na tuuti mais quand même ci choix wu euh, joueurs yi personnes yi xam naa tamit war nañ ci xalaat bu baax quoi beneen yoon. parce que démb xalaat naa man d'emblée que ne démb c'était pas le match quoi. parce que Iliman Ndiaye Iliman Ndiaye dañ ko xaw a quoi ci sama xalaat bu gàtt. Euh, Iliman on devait le bàyyi quoi, comme la dernière fois ni option bi ñu jëloon ak moom mooy bàyyi carrément à quoi. mu jéem nous bañ a dugg si milieu bi quoi et Crépin on le met dehors parce que aussi c'était le match de du milieu un Pape qui serait il serait très intéressant mu démarrer woon quoi. parce que comme bi ak le clairvoyance bi il xëy na moom moo quoi après euh, Bigan Gana mes carton donc je pense que il avait sa place là-bas quoi donc euh, defe naa loolu daal parce que les anglais anglais comme quand même ce sont des gens qui sont des fins tacticiens très futés euh, am ont de lire jeu donc nous, je ne sais moment bu on tenait un peu mais on a laissé nos failles parce que déjà comme nous l'ai dit, l'agressivité est agressivité parler avec option choix des hommes yi daal loolu ci nga xamni ne am encore dal ci sama xalaat bu gàtt. abi bi waaw moy choix yi wax ci choix yi choix yi mo lañ ko gën def mu gën ki dal sama xalaat bu gàtt. parce que on a on a mis un Iliman on l'a un peu euh, cantonné mu dugg ci un peu ici bi alors que waron na mën gën quand même comme la dernière fois parce que loolu c'était du bénéfice comme la dernière fois nu muy indil là il a été décisif mo nekk bay ci kii quoi on a fait revenir Crépin

après coup donc on euh, day mais quoi mais mon nañ ci a pourquoi l'équipe ko l'équipe <laughs> l'organisation, la organisation là. qui équipe mais kan nga jàkkaarloo loolu ñoo xam pas maye dara dara donc organisation bi moo quoi. ko de sorte que ñu trois coups un bi on gérer hmm, avant la mi-temps ou après la mi-temps juste nous allons ñu revenir quoi mais ñu jël ay buts deux euh, euh, deux euh, buts coup sur coup non tu lu gaaw des des day xaw goal non non non goal goal problème de de système problème d'équipe place placement des joueurs quoi il quoi a yëpp daal yooyu yëpp dafa ànd ak loo xam ne jour boo comme nous aussi équipe bi nekkuloon comme ni mu war a aussi de ci day am.